plutôt décontracté, euh, pas de longue manche de préférence. Euh, donc Ning euh, a aujourd'hui la tenue idéale pour passer une journée sans beaucoup d'encombre. On va poursuivre toujours avec Mariama, avec les éphémérides. Alors Mariama, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir concernant les éphémérides Bon, on a quatre grandes dates du mm. jour. Du coup, on peut démarrer avec la première date. Alors, nous sommes le 8 janvier 2003. Une collision frontale entre deux autocars de transport en commun survenue à la hauteur euh, du village de Sikilo, près de Kafrine, sur la route nationale numéro 1, fait un bilan provisoire de 39 morts et 101 personnes blessées, dont 10 dans un état critique. Le chef de l'État s'est rendu euh, sur les lieux de l'accident dans la journée après avoir décrété un deuil national de trois jours à compter du lendemain lendemain du 9 euh, janvier. D'après le ministre des Transports, Mansour Faye, c'est l'accident de la route le plus meurtrier de l'histoire du pays. Au lendemain de ce tragique événement, un conseil interministériel a édicté 23 mesures urgentes pour lutter contre le fléau qui constitue l'insécurité routière est accident vous métier on se rappelle encore euh, de cette date euh, vraiment Nous euh, avons ay souvenirs métier profite encore si occasion bi di toutes les familles qui ont eu des victimes de accident à Amon. la sécurité routière on en parle toujours des mm-hmm. mesures ont été mm-hmm. prises est-ce que encore ces mesures ont été respectées ou pas est-ce que réellement les gens ont pris conscience vraiment de l'importance d'avoir des voitures en condition des chauffeurs conscient aussi, Mariama. On se pose toujours les mêmes questions et on ne sait pas si réellement on peut parler de changement. Oui, donc euh, concernant ces mesures urgentes qui ont été prises euh, durant ce, tragique événement-là, euh, on, on, en voit toujours des, accidents meurtriers, des accidents. Un accident est toujours une chose tragique. Mm-hmm. Qu'il y ait des morts encore, ça, devient pire. Mm-hmm. donc rien que le choc émotionnel de ces passagers-là, donc c'est des mm-hmm. trucs vraiment qu'on exhorte, que ce soit l'État, que ce soit les acteurs routiers également et les passagers qui prennent ces véhicules-là, euh, vraiment d'essayer de, d'essayer de, respecter les mesures qu'il mm, faut et de mm. s'adapter aux bonnes conditions afin qu'il euh, qu'on en ait plus euh, de, ces cas-là, de mm. ces accidents vraiment meurtriers bi affaire bi xewé gis nañu euh, taxaway biñ ci taxaw sur le coup c'est-à-dire éviter yenn siège yi éviter yenn. surnom yi nga ay ay ay tabouret. tabouret bidon sax yi di bidon sax yi vingt litres yi je veux dire vide dañ koy dañ koy mettre ci diggante yi donc mu nek lo xamanteni ni vraiment ci bi mu amé amee na naxarlu lañ ko mais comme on dit bu jalé rek dañuy fàttali xew bëgg déllu ci si waat ci mauvaises habitudes des choses à éviter ndax nak ba fu mu toll nii comme on dit toujours nit ñi dañuy gëna a yokk demalante bi dikkalante bi da fay gëna bëri da fay laaj besoin bi da fay gëna nek donc ñu bay ci xel bu baax baax. d'accord. Alors, on poursuit euh, avec également cette date du 8 janvier 2017, ouverture à Dakar du procès en appel d'Issenabré, ancien président de la République du Tchad de 1982 à 1990. Réfugié au Sénégal depuis sa perte du pouvoir, il avait été condamné à perpétuité le 30 mai 2016 à Dakar devant les chambres africaines extraordinaires pour crimes contre l'humanité. On rappelle qu'il a rendu l'âme euh, peu de temps après ça donc euh, également mon euh, ancien président du Tchad. On continue avec cette date du 8 janvier, toujours 2014, euh, cette fois-ci. L'installation dans ses fonctions à la caserne Samba Diallo du général Mamadou Gueye nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Il succède au général Abdoulaye Fall, admis dans la deuxième section des cadres de l'armée. Donc, euh, Mouine je pense que c'est lui qu'on a là. On poursuit avec euh, cette dernière date du 8 janvier 1896. Embarquement à Dakar de Sambalob Pendendjaï, ex-Bourbe pour son internement au Gabon, où il avait rejoint le marabout Cheikh Ahmadou Mbake, qui avait été déporté l'année précédente par l'administration coloniale française. Sambalaube retournera en 1902 au Sénégal, où il vécut jusqu'en 1925. Il a été une anime Ayang Yang. Merci beaucoup Mariama. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est quelques dates euh, marquantes euh, du fait de l'histoire euh, du Sénégal en ce qui concerne les événements qui ont eu lieu. Donc pour rappeler les éphémérides, c'est un choix. d'Etan tànn ay nga histoire indi len ko événements yo xamanteni vraiment day suñu suñu histoire Sénégal. Donc on va faire une petite transition temps pour jox ki nga xamanteni moy mbay ning mu defal ñu revue de presse mu doon lu am solo itam pour ngeen mën xam un peu tay lan mo gëna fess ci bop xibaar yi tout de suite euh, la revue de presse dans quelques petites minutes euh, secondes on va dire hein. La...